Euh, de présider cette réunion convoquée par les présidé présidée par nos Donc pour en venir euh, le plus jeune conseil, like and service. Donc sur les 80 conseils élus, il y a 70 présents et 10 absents. Monsieur le maire, le de la commune de mesdames, messieurs, chers euh, conseillers et conseillers municipaux, chers euh, invités à vos pratiques de qualité, la populations de la commune de Médiachor, au-delà, l'honneur me revient suite euh, aux élections territoriales du 23 janvier 2022 vous vous réunir en votre qualité de conseiller conseiller de l'échelon nouvellement élu, pour euh, répondre à la solennité de cette cérémonie symbolique marquant votre prise de fonction et l'installation du nouveau maire de la commune de Zéguinchon. Je suis coup, tête de la coalition Yahya Skalbi élu au suffrage universel direct, a eu le mérite d'être porté à la tête de l'institution municipale au profit du renouvellement général des mandats des conseillers municipaux. Il a ainsi bénéficié de la confiance de la population. En remplacement de chauffeur Bardet, qui est le chef de son côté, le maire, depuis plus d'une dizaine d'années de, service. Une alternance qui s'inscrit dans le cadre du fonctionnement normal de nos institutions, mais surtout à mettre sous le risque de la maturité, l'esprit de la population, qui, dans sa majorité, a fait le choix d'insuffler une nouvelle dynamique dans le fonctionnement de la municipalité et dans la gestion des affaires du de son ordre. C'est le lieu de remercier vivement cette population pour son engagement pacifique, ainsi que celui de tous les acteurs, de pouvoir conforme, qui nous ont volé une élection apaisée à Zéguéchor. Enlevé donc par ce fort sentiment de satisfaction, nous allons devoir nous acquitter de cette obligation, mais nous également passer sous la présidence du maire qui sera installée à l'élection de ses adjoints parmi les membres du conseil municipal, sachant Didier et écrire. À la nouvelle équipe, je suis cette occasion pour euh, leur adresser mes chaleureuses félicitations. Je me mets en train de des familles avec ce conseil municipal au profil riche car fait d'hommes et femmes de valeur, de vouloir pérenniser les acquis de votre prédécesseur et vous ouvrir vers d'autres perspectives davantage prometteuses. Une charte prise conformément aux compétences transférées aux collectivités territoriales ainsi qu'à vos attributions et pouvoir de maire conféré par la loi trouvera à nous toute l'attention nécessaire pour aider à faire de la commune des Églises un territoire davantage viable, compétitif et porteur de développement durable. Vous me permettez, avant qu'on en vienne à votre installation, M. le maire, de rappeler les dispositions ci-après, car préciser que cette installation sera suivie de l'élection, comme j'ai dit tantôt, de vos adjoints au nombre de 16. avant qu'on en vienne à cette deuxième partie, pour laquelle vous allez devoir assurer la présidence, dire que l'élection de vos adjoints se fera conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Et nous avons comme secrétaire pour rappeler, M. Bassirou Colli, de par sa qualité de conseiller municipal le moins âgé, ça va le plus jeune. Et dire que aussi, certaines choses-ci, à savoir l'élection des agents romains séparés, au scrutin secret et à la majorité absolue des voix. Et à ce niveau, si précisé qu'après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il euh, va être procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection aura lieu cette fois-ci à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé sera déclaré élu. Et préciser en outre que les conseillers que vous êtes auront à élire pour répéter 16 adjoints au maire, suivant le décret 2022 2019, du 18 janvier du 18 janvier 2022 fixant les autres membres de bureau des conseils de collectivité territoriale. Préciser qu'après cette élection, les résultats sont rendus publics ou plus tard 24 heures après la proclamation des résultats par voie d'affichage à la porte de la nuit. Elles sont dans le même délai nous aux représentants de nous sommes. Rappelez aussi par ailleurs la loi 2010, 11 du 28 mai 2010, instituant la parité homme-femme, qui à son article premier dispose que la majorité absolue homme-femme est instituée au Sénégal dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. nous disposition rappelé par euh, le début d'application de la loi, à savoir depuis 2011 du 16 juin 2011, qui, en son article fixe les institutions où la qualité sont applicables. Et parmi ces institutions figure, la, commune. Chez le maire Ousmane Sango, vous pouvez s'il vous plaît, pour qu'on procède à message. vous plaît, on va procéder à l'installation de notre nouveau maire à la commune de Richard. pieds yi ngeen di teg grand pieds xale bu teg pieds non non jili gars yi jili jili jili jili si ginnaaw si ginnaaw grand gars yi grand tegal pieds mais mënul nag yow eh. daa ñëw wala daa fi am espace. waaw mais tey jii biir bi nga xam ne après naa après naa décalé naa. soo ma décalé.

en qualité de représentant de l'État, je déclare officiellement installé M. Ousmane oh, oh, oh. Sonko en qualité de maire de la Oh, de Guinée. Yes! Photograph, photograph. Qual color? Share. Share, share. Huh? Share. Share, share. Share. Share. É aí, ai vui. é cho nó quay, cho nó photo photo appareil appareil photo Thank you. saluer toute l'assistance ici présente, toute l'assistance ici présente et tous ceux qui directement ou plus tard auront à suivre totalement mon extrait de cette séance d'installation. Rendre grâce à Dieu qui nous a permis d'être là aujourd'hui, mais également qui nous a permis dans la compétition qui nous opposait à beaucoup d'autres adversaires, pas moins valeureux ni moins méritants que nous. Qu'à Dieu qui nous a choisis parmi tant d'autres candidats. Ce n'est pas un mérite personnel. si l'année ça représente très peu. Mais il faut toujours avoir grâce à Dieu parce qu'on n'a pas fait plus que les autres. On n'a pas fait mieux que les autres remercier tous les collaborateurs qui ont participé à ce travail depuis des années maintenant, depuis des mois pour certains. Ceux qui sont ici à Ziguinchor, qui y ont contribué grandement. Ceux qui sont venus d'un peu partout sur tout le territoire national et qui, physiquement, financièrement, intellectuellement, ont pu participer, contribuer à l'action globale qui est la nôtre, mais également plus spécifiquement à cette compétition électorale localisée. Ceux qui sont hors du pays, la diaspora, de chose, de la Casamance, mais du Sénégal tout entier, qui a été d'un apport extrêmement important. Les remercier, mais les féliciter également, et surtout de dire que cette élection est la vôtre. Je ne dirai pas cette victoire, parce que la victoire, on ne pourra la décliner qu'à la fin des mandats, ou à la fin du mandat, et selon le résultat qui aura été Remercier notre entourage familial qui a toujours soutenu malgré l'adversité et quelquefois même l'inimité, les attaques, les insultes, les colibés cet entourage familial a pu rester serein, ferme et nous a toujours accompagnés. Autrement, nous ne serions pas là. Autrement, peut-être nous n'aurions pas tenu par rapport à cette adversité. Monsieur le préfet, vous l'avez dit, c'est un mandat, c'est une mission et c'est surtout un sacerdoce. Je le dis en ce qui me concerne, mais je le dis pour tous les élus. Être élu ne doit pas rimer avec jouissance, avec euh, euh, facilité. Au contraire, c'est une responsabilité extrêmement lourde à laquelle on devra rendre compte ici devant ceux qui nous ont fait confiance, mais il faudra également rendre compte un jour devant le Créateur. Toute responsabilité appelle, toute confiance appelle à une responsabilité particulière et spécifique. Et donc il nous faut rompre avec une certaine façon de voir la politique où on se bat énormément pour être élu, et donc on se bat encore pour se positionner au sein de l'instance dirigeante en songeant beaucoup plus aux avantages qu'au travail qu'on devra rendre à ce peuple qui le mérite. Je serai un maire intransigeant sur ces questions. Nous avons beaucoup de travail. Et Monsieur le Préfet, ce travail, nous devrons le faire, je l'espère bien, en bonne entente avec l'administration centrale que vous représentez ici. La décentralisation, c'est un transfert d'un certain nombre de compétences extrêmement importantes, mais c'est également un contrôle, quand bien même à posteriori, mais quand même un contrôle. Et au-delà, c'est une collaboration permanente entre le pouvoir central qui doit passer par cet échelon local pour la continuation d'un certain nombre de ces politiques publiques, en tout cas la territorialisation de ces politiques publiques, et ce pouvoir local qui doit collaborer avec le pouvoir central pour l'approbation, mais surtout la facilitation dans l'exécution d'un certain nombre de ces missions. Et je lance cet invite. J'espère qu'au-delà de nos statuts politiques, nous serions restés républicains et ne prendre en compte que l'intérêt des populations. La réalisation dans l'intérêt des populations n'a pas de coloration et ne doit pas être impactée par les querelles politiciennes au-dessus de des préoccupations des populations en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'emploi, en matière d'infrastructure. Sur ces questions et sur ces problématiques, comme certains ont l'ont matérialisé avec la victoire éclatante de nos lions du football que nous félicitons encore, il y a des moments où on met en avant l'intérêt et exclusivement l'intérêt national. Au sein du conseil également, je tiens à dire que nous travaillerons avec tous les conseils. Il n'y a pas d'élu de première zone et d'élu de seconde zone. Un élu est un élu, il a bénéficié de la confiance du peuple ou de la population ziguinchoroise. Nous serons très ouverts à l'écoute de tout le monde parce que toute avancée réalisée pour Ziguinchor est une avancée pour toutes les populations de Ziguinchor. Il n'y a pas d'appartenance politique, ethnique, religieuse. Ce qui importe, c'est de sentir qu'on a réussi à faire avancer notre commune qui le mérite. Je n'en dirai pas plus, monsieur le préfet. Ce n'est pas le moment des longs discours. À compter d'aujourd'hui, c'est le travail qui commence. Ce travail sera soutenu parce que nous sommes venus avec un programme extrêmement lourd. Nous en sommes conscients. Chacun d'entre nous doit se remettre en cause d'abord. Il faut qu'on le dise et je le commence par moi-même. Ce n'est pas une critique gratuite. Je l'ai dit dans mes ouvrages, je le répète. Au Sénégal, nous ne travaillons pas assez et nous ne travaillons pas assez bien. Il faut qu'on se mette dans cette éthique, dans cet impératif de travailler et qu'on arrête à chaque fois que quelqu'un veut travailler de le catégoriser de quelqu'un de nerveux, quelqu'un d'incompatible, quelqu'un euh, qui se croit au-dessus des gens. Moi, je pense qu'il faut aujourd'hui rien ne justifie le retard de nos pays africains et du Sénégal en particulier que le rapport que nous avons au travail et à l'éthique. Le travail et l'intégrité. Tout pays et tout peuple qui développe beaucoup plus ses valeurs, forcément sera plus développé que vous. Vous ne pouvez absolument rien à cela. Les Chinois, les Japonais, les Français, les Allemands, les Américains n'ont rien de plus que nous en termes de ressources naturelles, en termes d'intelligence, mais ils sont plus rigoureux dans le travail, il faut le reconnaître. Nous allons nous mettre au travail et j'interpelle particulièrement cette jeunesse de Ziguinchor. J'interpelle particulièrement cette jeunesse de Ziguinchor. Je ne veux plus qu'on me dise qu'il n'y a comme option que les Jakarta. Les options sont là, mais il faut accepter de suer. En tant que maire et en tant qu'autorité, nous ferons tout pour vous accompagner pour mettre les cadres qu'il faut, pour vous aider dans les financements. Mais ce qu'on attend de vous, c'est que vous acceptiez de vivre le maillot. L'agriculture, l'agriculture est une activité, l'élevage est une activité, l'apiculture est une activité, l'ostréiculture est une activité. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Il faut accepter de souffrir un peu pour ensuite pouvoir en jouir et c'est ce que nous attendrons de vous. Monsieur le préfet, je ne vais pas être plus long. Nous aurons d'autres espaces pour euh, développer un peu plus sur ces problématiques. Nous vous remercions de votre présence, de la supervision également de ces élections qui sont déroulées dans de bonnes conditions. Et nous terminerons par des prières pour que tous ensemble, le Seigneur nous accompagne dans cette mission qui est de servir. Et simplement de servir pour le grand bénéfice des populations qui souffrent, qui sont fatiguées et qui méritent de souffler. Nous allons passer maintenant à la seconde partie de cette séance. Euh,

cette cérémonie installation bi ngeen jiite di leen féliciter d'abord ci ni ngeen doxalee processus électoral bi ba yàlla def ci lim ci def élection yi am malgré ay incidents yu ndaw ci jàmm ak salaam di leen wax ni ñu ngi jaarale suñu nuyoo ci yéen pour mu yegg ci seeni kilifa jiital ci monsieur le gouverneur de Ziguinchor euh, monsieur le ministre de l'intérieur ak monsieur le président la république ndax ñoom fi toogal euh, di wax tamit ni ñi ngi félicité ñëpp ñi demoon ci compétition bi yëpp ñu ngi leen di ki nekk def na li mu mënoon def te gëm naa ni ku nekk yéene ku rafet ko taxoon a jóg ci li mu bëgg a def fii ci Ziguinchor di féliciter particulièrement ñi nga xam ne nag fal nañ leen ak liste bu ñu mën a bokk mooy conseil yi teew fi tey di leen féliciter te am ak liggéey moo ñuy xaar te liggéey bu bëri la di dellu jaajëfal nag ñi nga xam ne ñoom lañu ñu bokkal coalition bi kenn ku nekk def na ci kéem kattanam di jaajëfal ñi nga xam ne ñoom laa bokkal sama parti di paseeku ci seen taxawaay depuis ay ati at waaye it di gërëm suñuy mbokk ak suñuy wayjur ñi nga xam ya ne yàgg nañoo taxaw ci liggéey bi lu ne dégg nañ ko ci lu gën gis nañ ko ci waaye boobu la ñu gën a takku ngir jàppale ñu kon ñu leen di gërëm ak fu ñu mun a féetee

waaye pal responsabilité bu rëy rëy la diine koo dem nag wax na ci responsabilité la ci ñi nga jiite kenn ku ne ci ñoom bés dina taxaw nga waral la yow moom ci lim la wóolu woon ba dégg la waaye responsabilité la ñun ñi ñëpp ay nit ñu gëm lañu suñu kanamu borom moo tax du lu tuuti moo tax képp xam luy fal dëgg buñ la falee da nga war a tëju di jooy waaye waroo woo sabar yi di tëgg parce que foofu la problème bi commencé. ma wax ko pour man nag mais ma wax ko aussi pour képp kuy conseil ak képp ku am responsabilité li ñuy xaar bu Mumbaay du séddoo ay avantage waaye liggéey bu bëree bëri la jaamu yàlla la parce que askan gi wóolu waru gën a gore jaamu yàlla la parce que loo ci def di gis njëriñ bi fii wala di gis njëriñ bi fële tamit kon ñaare dañuy xëccoo lu bëri pour falu def ci alal def ci suñu temps mobiliser ay moto mobiliser ay nit léeg-léeg sax mu jaral ñu xeex ba nit ñi di ci gaañu bakkan mën na ci rot sonn ci gannaaw bu ñu falee ñu def suñu kéem kattan pour fañ ñu fal ñu fexe ba ñi ci gën a kawe ñu fexe ba nekk foofu waaye dañu ràññee fii Sénégal mooy bu ñu demee ba yegg foofu nag la askan wi doon xaar ci ñun safaan ba la def kenn ku nekk daal lu muy dugal poosam ak lu muy séddoo ci li nga xam ne ñëpp a bokk loolu nag ma teel ko wax fii fii rek man maay nekk. mairie Ziguinchor loolu du fi am tey tey duñ ko waxaale duñ ko négocier du nag lu ñuy yedd nit wala ay menaces waaye suñu responsabilité la en tant que jiit ñu wax ko ñëpp dégg ko ñu wax ko conseil yëpp dégg ko waaye ñu wax ko askan bi ñu wóolu dégg ko ñoom liggéey moo ñu tax a jóg te liggéey rek la def wax naa ko fii keroog ci bés ba bi soxlawu ma fi salaire soxlawu ma fi indemnité soxlawu fi avantage liggéey moo ñu tax a jóg kon la bëgg la xaar gis nga askan wi askan wi li mu bëgg mooy sentir ni ñii liggéey moo leen tax a jóg.

élection bu ñu dans 5 ans ku nekk nga taxawal liste mais digënté bi liggéeyal fi des dañu joxante loxo ñu wax ci lu ci wax ni monsieur le préfet yaa fi toogal état wala état central ñun ñu toogal fi état déconcentré parce que beaucoup na ci responsabilité maire même maire ci boppam représentant ci état li ko doonee yow kon jàppal te liggéey ngir njëriñu askan wi njëriñu Ziguinchor ak njëriñu Sénégal moo ñu war jàpp naa ni am naa yaakaar ni noonu lay demee ñëw nañu ak programme bu yaatoo yaatu boo xam ne liggéey bu bëri la la waaye buñ ko doxalee niñ ko bëgg a doxalee gëm naa ni si Ziguinchor ñu fekk tey ak Ziguinchor bi ñu jëm fii léegi ay ay at dina doon ñu ute torom loolu pour mu am bër que nous ne lu ñu war a lënkaloo la lu ñu ñu jàpp ni bu liggéey jotee rek ngir askan wi dinañu toute autre considération d'autant que préfet amul coloration politique fonctionnaire agent de l'État la état les servir régime bu ñëw fekk ko fi régime bu dem ba ko fi ba keroog muy jël retraite am kon kooku gëm naa ni lépp ñu andi te muy jël askan wi waruñu cee am problème waruñu cee am xaaru yàlla te gëm nañu noonu monsieur le préfet kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp war a mën nag jaar jàll ci deuxième partie bi mooy taxawal euh, bureau municipal.

solennité te ay bon la ñuy ñaan waa presse bi rek suñu mënee génnaat bu ñu paree nag dinañ leen génne liste bi euh, ak lire ko devant eux bu ko defee ñoom ñu mën a koo gaaral euh, population merci beaucoup.